le forum du studio le forum le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum le forum du studio le forum le forum le forum 18h passé de 15 minutes en Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum des studios Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions des studios Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec euh, une appréciation de l'état actuel, de la mise en œuvre de l'application des termes du protocole d'accord signé entre le gouvernement nigérien et certaines structures syndicales du secteur de l'éducation. Ensuite, nous parlerons de la crise politique qui traverse le parti rouge et jaune, le MPN Kishikasa du ministre Ibrahim Yakuba, avec notamment l'exclusion du député national au titre du parti El Haj Sani Atia et 12 autres de ses camarades du parti avec l'analyse d'un politologue. Et enfin, nous irons dans la capitale de l'ADER pour faire pour vous faire vivre les temps forts et le point de toute l'actualité de ce vendredi autour de la 38e édition du Sabre national. Je le disais tantôt, conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement et la coalition Cause Niger-Sinaseb, c'est demain que le délai concernant l'appurement des arriérés de pécules des enseignants contractuels arrive à son terme. Selon ces structures, les pécules sont en train d'être payées, mais des problèmes sont constatés. Halidou Moukaila est le secrétaire général du Sinaseb au micro de Asumana China. Aujourd'hui, au 30 décembre, je puis quand même vous dire que euh, effectivement, le gouvernement a commencé à honorer ses engagements en commençant effectivement à payer ses arriérés de pécule dans certaines régions. Il faudrait juste rappeler que toutes les régions ne sont pas servies au même moment et toutes les régions n'ont pas aussi les mêmes réalités. À la date où je vous parle, dans les centres urbains, ils ont commencé à éponger deux mois, c'est-à-dire le mois d'octobre et de novembre. Mais lorsque vous allez partir en profondeur dans les départements jusqu'à présent, il y a certaines localités où euh, les camarades continuent encore à attendre. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les camarades qui ont domicilié leur euh, salaire dans les euh, mutuelles et autres banques continuent encore à attendre parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de virement pour la plupart de ces institutions bancaires-là dans les comptes de nos camarades. Donc, pour être clair, il faut dire que certes, le paiement a commencé, mais le paiement, euh, ce n'est pas comme le communiqué du gouvernement l'a dit. Il vous souviendra qu'avant-hier, ils ont fait un communiqué où ils ont demandé à l'ensemble des enseignants d'aller au niveau des, différents guichets pour percevoir deux mois, en en cas de, de, de pécule. Mais très malheureusement, sur les faits, je dis bien sûr les faits, ce n'est pas en tout cas ce qui se passe. Dans certaines localités, certes, il y a les deux mois, d'autres euh, régions, telles que la région de Dosso, jusqu'hier encore, c'est seulement le mois de septembre qui a été payé. Le mois d'octobre, ils ont juste payé la commune euh, de Dosso. Les autres départements attendent encore le mois d'octobre et de novembre. Donc pour dire que à 24 heures de la date butoir, en tout cas euh, au l'échéance prise par le, gouvernement, nous sommes loin, très loin d'ailleurs, de pouvoir en tout cas honorer cet engagement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu des efforts, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas commencé, mais j'ai dit par rapport au tapage qui a été fait, par rapport à tous ces bruits que nous entendons jusqu'au niveau de l'arène de lutte, on continue à faire croire que tous les enseignants sont en train d'être payés. Nous sommes très loin de là. Nous sommes en tout cas loin en tout cas de cette situation-là parce que jusqu'à aujourd'hui encore, les pécules ne sont pas payés à leur intégralité pour l'ensemble des camarades. Mieux, je dois dire que en dehors de cette situation, nous risquerons d'être confrontés à la reprise des cours, c'est-à-dire dans 72 heures tout au plus, c'est-à-dire après les congés de Noël, d'être confrontés à des situations qui risqueront de perturber encore le système éducatif nigérien. C'est cette euh, liste de la Halcia qui comporte 2803 euh, enseignants qui sont considérés comme être des enseignants fictifs après l'opération d'identification qui a été faite, alors que la plupart de ces camarades, en tout cas, euh, ont été identifiés par les, éléments de la Halcia, ont été trouvés sur les écoles. Mais très malheureusement, lorsque cette liste-là a été sortie, nous avons constaté qu'il y a véritablement d'anomalies. Un, deuxième chose, c'est que cette liste est même une liste provisoire, telle que Halcia même l'avait dit. C'est une liste provisoire qui, en tout cas, selon eux, c'est des camarades qu'ils n'ont pas trouvés et qu'ils vont continuer à corriger cette liste au fur et à mesure qu'ils vont avoir de nouveaux éléments d'information. Mais mieux, c'est une liste partielle parce que c'est une liste qui concerne seulement 5 régions sur les 8. Et jusqu'aujourd'hui, depuis septembre que la RCA a été sortie pour nous donner des informations par rapport à, cette liste-là, jusqu'aujourd'hui, il n'était pas encore revenu pour nous donner le rapport, en tout cas, sur l'opération dans les trois autres régions. Donc, pour dire qu'en réalité, cette liste ne devrait pas être, en tout cas, servir de base pour bloquer les pécules de nos camarades parce que ça risquerait de compromettre, comme je l'ai dit, la bonne reprise des cours à partir des congés de Noël. Les arriérés, là, dépend des régions. Les régions n'ont pas les mêmes euh, mois d'arriérés les régions n'ont pas les mêmes montants pour payer ces arriérés-là. Mais les 7 milliards dont le gouvernement est en train de parler, qu'ils ont investi 7 milliards 800 euh, et quelques millions pour en tout cas, éponger ces arriérés, j'ai dit les 7 millions et quelques ne peuvent pas suffire pour payer ces arriérés parce que c'est des arriérés qui tournent autour de 11 voire même 12, 12 milliards en tout cas pour que nous puissions véritablement éponger, ces arriérés-là. Donc nous pensons quand même qu'ils ont commencé mais il reste encore beaucoup d'efforts et nous demandons au président de la République tel qu'il a pris l'engagement de continuer encore à investir pour qu'effectivement à demain 30 1 décembre quand même que l'ensemble des arriérés là puissent être payés conformément à l'engagement qu'il avait pris le 18 décembre passé dans son message à la nation. Est-ce qu'on peut dire que cette liste de la Halcia amène un nouveau problème au niveau des syndicats des enseignants mais, bien sûr, c'est parce que ce sont nos militants qui sont mis dans cette situation. Lorsque les militants qui a fait trois mois sans toucher son salaire et, après qu'on a commencé à faire le paiement, il vient seulement arriver au guichet de paiement. Il présente sa pièce d'identité, on lui fait comprendre que non, il y a une liste parallèle qui est là, une liste de la Halcia dans laquelle se trouve son nom et que le gouvernement a demandé de ne pas les payer. Donc voyez-vous que nous, en tant qu'organisation syndicale, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que nos camarades puissent être dans cette situation parce qu'ils ne l'ont pas créé. Ils ne l'ont pas créé et je crois quand même que ceux qui ont donné ces instructions ont failli parce qu'il fallait seulement attendre la liste définitive ou le rapport définitif de la Halicia pour même sévir si on doit sévir. Alors que même qu'aujourd'hui, quels que soient les résultats, quels que soient ceux qu'on va trouver, l'enseignant n'est pas fautif de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est la faute de, l'administration. L'enseignant ne se recrute pas, l'enseignant ne se paye pas. Donc si on doit chercher des enseignants fictifs, je crois qu'il faut plutôt servir du côté de l'administration que de vouloir servir sur les enseignants. Cela nous amène même à dire, est-ce que réellement le fait de diminuer l'enveloppe allouée au paiement des pécules des enseignants au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas lors de la dernière session budgétaire, est-ce que ce n'est pas effectivement pour empêcher à tout un lot d'enseignants de ne plus pouvoir être enseignants, c'est-à-dire de ne plus faire partie, n'est-ce pas, de, de, ce monde enseignant Parce que c'est à ça qu'ils sont en train de nous amener. Lorsque quelqu'un qui se trouve être sur le terrain, qui a été identifié, qui vient avec ses documents, preuve à l'appui, on l'empêche de toucher son salaire. On se dit quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que les moyens font défaut qu'on est en train de vouloir nous divertir Donc nous pensons quand même que, et nous estimons quand même que les enseignants qui sont sur le terrain, qui ont leurs documents en bonne et due forme, ne doivent pas en tout cas continuer à subir les conséquences de leur incapacité à pouvoir maîtriser les effectifs du monde enseignant. Donc pour nous, pour être euh, en tout cas clair et concret, à la reprise des cours, si ces camarades-là n'ont pas été payés, rassurez-vous que l'école publique nigérienne risque de prendre encore un autre coup parce que ce sont nos militants. Je vous parle de 2803 enseignants. Donc on ne peut pas abandonner ces camarades-là pour rien au monde. Donc ils vous ont déjà saisi par rapport à cette situation Mais nous sommes de, nous sommes de plein pied avec ces camarades. Nous, sommes sur le terrain, nous ne sommes pas des syndicats de de salon. Nous sommes sur le terrain, nous continuons à travailler avec ces camarades et nous continuons à enregistrer les plaintes des camarades. Nous avons saisi le comité interministériel avec lequel nous avons négocié principalement avec le ministre d'État Bazoum pour lui notifier cette question. Il a dû donner des instructions pour que ces camarades-là puissent être payés. Mais à la dernière minute, on nous fait comprendre qu'une autre décision est venue émanant de qui On a une interrogation. Si ce n'est pas le ministre d'État Bazoum, ça ne peut que provenir du Premier ministre parce qu'il est le chef du gouvernement qui donne instruction à ce que cette liste-là ne puisse pas être payée. Donc nous comprenons pas ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas comprendre. Le seul langage que nous nous entendons, c'est que nos camarades puissent être payés. Pour vous dire que le gouvernement est pleinement informé de cette situation. Nous avons saisi qui le droit. Nos camarades nous ont saisi et nous attendons la réaction, en tout cas imminente, de la part du gouvernement pour que nos camarades puissent être dans leur droit d'ici demain. Sinon, comme nous l'avons dit, à la reprise, c'est comme si, euh, en tout cas, on cherche à solutionner des problèmes et en même temps, on crée d'autres problèmes de l'autre côté. L'autre souhait, c'est que après avoir payé les arriérés de pécule, que à la rentrée, qu'on puisse venir et que nous puissions euh, véritablement et convenablement euh, faire dispenser nos cours comme ça se doit, sans perturbation. Mais lorsque 2800 enseignants ne trouvent pas leur salaire, rassurez-vous que les cours seront perturbés. C'était la Halidou Moukela, secrétaire général du SINASEB, par rapport à quelques difficultés constatées dans le paiement des arriérés des pécules des enseignants en contractuel. Dans la même lancée, selon le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire, Hima joint au téléphone il y a il y a quelques instants, le gouvernement nigérien a pris toutes les dispositions nécessaires pour l'application et la mise en œuvre intégrale de tous les termes du protocole d'accord signé avec euh, les structures syndicales du secteur de l'éducation. On l'écoute. Achana bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement euh, nigérien a signé un protocole d'accord euh, avec plusieurs structures euh, syndicales du secteur de l'éducation. Où en sommes-nous concrètement dans le cadre de la mise en œuvre des termes de ce protocole d'accord Effectivement, pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord, tous les points qui ont fait l'objet d'accord, leur mise en œuvre a, fait, commencé ou est terminée ou dans certains cas elle se poursuit. En ce qui concerne donc les affectations pour les cas d'abus, le dernier cas qu'il y a donc pour ceux qui étaient des encadres des économies de Niamey et d'Agadez ont été déjà donc rétablis, ainsi qu'un cas à Tidavir, notamment à Goutey. En ce qui concerne la question des paiements de pécules à temps, ainsi que les questions d'arriérés, vous avez suivi avec nous, le gouvernement a même fait un communiqué radio-télévisé pour informer l'opinion que l'ensemble du montant, des arriérés a été versé vers l'ensemble des régions pour que les paiements s'effacent de façon simultanée. C'est deux mois d'emblée qui sont en train de sur l'ensemble des régions pour qu'on puisse rattraper conformément au protocole d'accord de retard, afin qu'en début janvier, qu'on commence avec la des paiements des, des et salaires à terme échu. Donc, de ce point de vue, on peut considérer que cette question est, qui est la plus difficile à finalement donc trouver une solution, en fait, fort heureusement. Il y a eu également la mise en place du comité chargé de voir Comment est-ce qu'il faut réviser les critères de sélection des contractuels euh, qui veulent accéder à la fonction publique Le comité a déjà fait donc ses premières réflexions. Et ces réflexions ont été transmises donc fait à la, fonction publique. Et sous peu, une rencontre va être organisée pour que on puisse enrichir les propositions tendant à améliorer la transparence pour l'accès à la fonction publique des contractuels qui, vous le savez, se recrutent là-bas des dossiers après avoir fait 4 ans de sa Donc, euh, il y a également la question de recrutement, donc, qui avait été projetée d'immatriculation courant euh, premier trimestre, donc en 2017, et d'utiliser les ça pour que le protocole d'accord, en tout cas, soit intégré à notre société. Il y a eu un comité de suivi, donc, en fait, et le syndicat y veille, l'administration, en fait, y veille, pour que nous ne puissions pas avoir de quoi en tenant compte un peu des leçons des patients. Si difficulté devrait en avoir, nous avons convenu, comme euh, l'a écrit le protocole, qu'on se retrouve donc et que on puisse une explication afin de voir comment contourner les éventuelles difficultés qui peuvent se jouer. Pour le moment, tout se passe bien jusqu'à ce jour. Alors, à plusieurs structures syndicales dénoncent euh, cette liste de la Halcia qui affecte euh, dangereusement euh, plus de 2000 enseignants considérés comme étant en fictif au Niger. Effectivement, il y avait cette situation, mais croyez-moi, dans le cadre de la volonté ensemble de chercher des solutions, nous allons voir ensemble les deux parties pour même faire en sorte qu'on puisse traiter cette question jusqu'à ce qu'elle n'affecte pas effectivement la fermeté qui a été donc en fait retrouvée. C'est des choses, c'est deux événements qui se sont en fait croisés. Le travail a commencé, vous savez, depuis euh, avril voire juin donc 2016. malheureusement, ça coïncidait avec le moment où on payait le gros d'arrivée. Je pense que ce n'est pas une solution. En fait, nous sommes en train euh, de voir au niveau du gouvernement pour voir comment trouver une solution afin que cette situation soit décantée dans les plus, vite, euh, dans les plus brefs délais. Ces structures syndicales du secteur de l'éducation dénoncent également la non-effectivité du paiement des pécules au niveau de certaines régions du Niger. Bon, vous savez, pour éviter à ce qu'éventuellement des outils administratifs, que quelque chose ne se conduise, que l'argent n'est pas arrivé, le ministère des Finances donc, a fait des communiqués pour informer l'opinion l'ensemble des montants dit à ces arrêts ont été de l'ensemble des régions. Maintenant, il y a des cas où, qui pour corriger un état de, paiement, qui pour faire ceci, euh, c'est ça qui amène un certain intermède de l'ensemble un peu partout. En tout cas, en fait, ça a commencé parce que la disponibilité est, les syndicats au niveau localement ont été en fait informés. Mais l'administration n'étant pas habituée à des paiements pétroliers simultanés, ça peut expliquer ça. Mais le plus important pour le gouvernement, c'est-à-dire que j'ai débloqué la somme euh, euh, euh, qui est due au niveau de ce qui est d'arriver. Maintenant, les procédures administratives pour le paiement peuvent entrer de retard. Donc, je pense que les partenaires pourront comprendre au niveau local. Les gens vont voir donc en fait comment les accélérer. Et nous avons appelé, nous avons inscrit chaque jour pour qu'au niveau des régions, que tout soit accéléré afin que le paiement de deux mois se passe. Donc, en tout cas, dans le plus, la plus grande sécurité. Mais la somme a été débloquée il y a eu un communiqué pour que, éventuellement, que les jeunes ne soient pas destinés à autre chose, pour que chacun soit témoin et qu'on ne puisse pas avoir euh, des qui propos ou des distorsions en fonction des régions. Voilà un peu l'esprit du communiqué qui ont été fait par le ministère, donc, euh, par le ministre des Finances. Alors, euh, Achanahima, du côté des scolaires, est-ce que toutes les conditions ont été prises euh, par le gouvernement euh, pour éviter toute perturbation pour la prochaine rentrée scolaire Vous savez, je suis au niveau de l'enseignement primaire, je ne suis pas tellement à jour, je ne suis pas le mieux placé pour savoir les solutions en fait, qui ont été prises, puisque vous savez, au niveau de l'enseignement secondaire, il y a un cadre de concertation qui a été créé au niveau de ce secteur-là pour permettre de, de concerter entre les différents acteurs. Je ne suis pas à nous de vous donner les détails de cette information, mais j'imagine que des dispositions à faire sont été mais dont je peux vous donner euh, les détails n'étant pas donc. Euh, pas Est-ce qu'on peut espérer quant à l'application pure et simple du protocole d'accord euh, signé entre le gouvernement et les structures syndicales du secteur de l'éducation Absolument, absolument. Nous nous sommes inscrits donc dans les discussions. Nous nous sommes dit que nous ferons tout, nous ferons tout pour que nous prenions des engagements que nous sommes en mesure d'appliquer. Donc le protocole d'accord signé sera intégralement appliqué et à la lettre. Ça, je peux vous le, réaffirmer aujourd'hui encore. Achana Hima, on vous remercie. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire, Hima, qui affirme que le gouvernement nigérien a pris toutes les dispositions pour respecter les termes du protocole d'accord signé avec, avec les structures syndicales du secteur de l'éducation. Toute autre chose à présent dans ce forum. Vous avez écouté hier sur nos antennes le secrétaire général du bureau politique national du MPN Kishinkasa, Garba Ambali Dauda, à, propos de l'exclusion des 13 militants du parti. Aujourd'hui, c'est précisément l'un des militants exclus du parti, en l'occurrence Lawali Isaka, qui dit sa vérité sur les causes de la crise. On l'écoute. Dans une déclaration rendue publique euh, mercredi dernier, le Bureau politique national du MPN Kassa a annoncé votre exclusion du parti, vous et 12 autres de vos camarades. Selon vous, est-ce que la sanction n'a pas été très sévère Bon, euh, à tout point de vue, parce que dans tous les cas, quand vous regardez notre euh, règlement intérieur et le statut du MPN, normalement l'exclusion devrait intervenir après un certain nombre de, après un processus quoi, et à l'issue d'un congrès. Alors, ce que nous avions le mercredi passé, c'était une réunion du bureau politique, euh, donc euh, c'était pas un congrès Mais quand même, ils ont jugé utile de nous exclure, nous étions au nombre de 13. Qu'est-ce que vous avez fait de grave, euh, selon vous, pour mériter une telle sanction Bon, d'après eux, on a, on a tenu des réunions, comme quoi, des réunions, on a un peu piétiné nos textes, d'après eux, hein, bien, les textes du parti. Or, de quoi il s'agit Nous nous sommes réunis effectivement pour faire le tour des questions, de certains certain nombre de questions par rapport à la vie du parti et nous avions fait des recommandations. Euh, nous étions prêts ici aux négociations pour pouvoir euh, un peu mettre sur les rails la bonne marche du parti. Voilà. Mais eux, ils ont jugé utile quand même de, nous exclure parce que pour eux, c'était insurrectionnel. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Bon, on pense que c'est peut-être d'après eux la meilleure décision. Euh, selon vous, Isaka quelles sont les vraies causes de cette crise qui traverse le MPN Kishinkasa oh, Les vraies causes, vraiment, je ne pouvais pas vous dire les vraies causes parce que dans tous les cas, moi, c'était un parti dans lequel j'ai milité, et tout que je me suis investi, euh, ça fait à peu près plus d'un an, pour voir que ce parti s'est implanté particulièrement dans la région de Maradi. À ce que je sache, bon, moi je ne peux pas connaître le mobile, mais tout ce que je sais, le vrai problème c'est que c'est un groupuscule d'individus qui est en train de gérer ce parti et qui pense que ce parti leur appartient et ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent. Or, nous, c'est ce qu'on a décrit, ce qu'on a dénoncé. On sait qu'effectivement, avec ce genre de comportement, on peut aller nulle part. Voilà. Nous sommes dans une compétition. Il y a moins cinq partis au Niger. pouvoir être à la tête, il faut vraiment des dispositions et un état d'esprit qui permet de le faire. Voilà. Selon les trucs, avant même la tenue du conseil de la délégation régionale du parti à Maradi, vous avez déjà rencontré un responsable d'une haute euh, formation politique. Est-ce vrai Non, mais ça, c'est des allégations. Je demande. Je porte un démenti formel. C'est des allégations. On voulait en fait euh, salir euh, notre leader parce que nous avons quelqu'un avec qui quand même on a mené cette lutte. Il n'est pas caché, Alessani Atia. C'était un militant de première heure. Et tous les Nigériens savent ce qu'il a, et les actes qu'il a eu à poser pour bâtir ce parti-là. Donc, c'est des allégations. Et là, je, je, profite de cette occasion pour démentir formellement cette, cette euh, information. Qu'allez-vous faire euh, maintenant Allez-vous adhérer à une autre formation ou bien vous allez créer votre propre euh, Nous ne sommes pas là. C'est une décision qui nous est arrivée. je précise une chose. moi, personnellement, on m'a amené la convocation de la réunion du bureau politique à 20h. Je suis à 650 km de Niamey. J'ai voyagé toute la nuit parce que je crois au parti pour être à mardi à 8 heures du matin et pouvoir assister à la réunion. Et eux, ils n'ont pas vu cet état de fait là, puisque dans tous les cas là, c'était décidé, c'était tranché. Il y a des bêtes noires, il y a 13 bêtes noires à abattre, voilà, d'après eux. Hein. Pourtant, euh, nous avons fait notre preuve dans ce parti, nous avons fait ce que nous pouvons faire, on ne regrette rien. Dans tous les cas, euh, la vie continue. Pour le moment, nous allons <laughs> un peu nous reposer. Depuis qu'on a créé ce parti, on était toujours dans la construction, dans l'implantation de ce parti. Maintenant, nous allons réfléchir, comme tout politicien d'art, et on va voir euh, les décisions que nous pouvons prendre par rapport à, à leurs décisions, effectivement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'était là l'Owali Isaka, l'un des militants exclus du MPN Kishinkasa, euh, qui dit sa qui dit sa vérité sur les causes réelles de la crise qui secoue le parti. Toujours euh, dans le même registre, après avoir écouté euh, toutes les deux parties du MPN Kishinkasa, Aujourd'hui, ce soir, euh, c'est le tour d'un politologue de faire l'analyse de cette situation qui prévaut au sein du parti qui impeine Kishinkasa d'Ibrahim Yakuba. Le professeur Issoufou Yahya, enseignant-chercheur à l'université Abdoumouni de Niamey, que je vous propose d'écouter. Qu'est-ce qui explique cette crise qui gangrène plusieurs jeunes formations politiques au Niger? en particulier en ce qui concerne le MPN Kishinkasa. Je pense que l'origine, cas c'est mon point de vue, euh, de cette euh, crise, si on peut l'appeler ainsi, remonterait probablement à la naissance même de la formation, sinon au choix que cette formation avait formulé à l'issue du premier tour de présidentiel qui sont déroulés. Je pense qu'il y a aussi euh, une affirmation d'ego il y a des têtes fortes et cette sub-enchaîne, je crois, est en train euh, de conduire peut-être à une euh, implosion du parti, sinon à, à sa division peut-être en deux temps et qu'il n'est pas à exclure qu'il y ait peut-être des velléités ou un autre acteur extérieur qui pourrait bénéficier de cette euh, crise au sein de cette formation politique. Alors, professeur, à qui donc profite cette crise D'abord, je pense que le parti n'avait même pas trois mois quand il s'est hissé au cinquième rang des présidentielles. Ceci ne pouvait pas plaire à tout le monde, au vieux classique de la scène politique. Mais au sein même de la formation politique, je pense que les premier qui pourrait bénéficier de cette euh, crise, c'est ceux qui ne se retrouvent pas ou qui disent ne pas se retrouver dans la manière dont le parti est euh, dirigé. Peut-être certains se sont sentis exclus des décisions que les responsables, on va du parti prennent et que cela a dû les mécontenter au point de créer donc ce fameux comité dit de Et donc, dans la même lancée, probablement, le président du parti a qu'il fallait tuer la rébellion dans l'œuf et cela a conduit à une exclusion euh, d'une douzaine euh, de membres. Maintenant, qu'est-ce que eux vont faire Est-ce que ceux qui ont été exclus ont derrière eux ça me semble être le cas du monde. Si vous prenez le sœur Atia de Maradi, bon, c'est quelqu'un qui est connu beaucoup pour son égo, qui est connu aussi pour être une sorte de troublion. Mais quand on est jeune, quand on a de l'argent et qu'on estime qu'on a sa place, je crois qu'il est fort à parier qu'il ait peur de quelqu'un, fut-il M. Yacouba, euh, ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a ce camp qui se sent lésé et qui pense que l'heure est venue de tout mettre sur la table, pendant que euh, l'autre, elle, qui pense avoir la légitimité, qui pense avoir les instances du parti, a répliqué, à en expulsant ces tourbillons. De l'autre côté aussi, il faut voir ces vieilles formations politiques qui sont tapies dans l'ombre et qui estiment que peut-être l'occasion ferait de la ronde, pourquoi pas ne pas rallier euh, le Sœur Atia et tous ceux qui se sentiraient frustrés de cette gestion table à M. Akuba et pourquoi pas se consolider avant peut-être d'aller vers les élections régionales. Alors, professeur, euh, est-ce que cette crise n'est pas un coup dur pour euh, le MPN Kishinkasa ah, Il est vrai que c'est un coup dur, comme on en a vu dans beaucoup de formations politiques durant les cinq années qui se sont écoulées. Alors, ce qui est peut-être euh, différent, c'est que le MPN est né d'une décision prise par une autre formation politique et que cette décision a fait que beaucoup de militants du MPN actuel se sont sentis probablement touchés dans euh, cette euh, euh, supplique faite à M. Akoba au point de s'être laissé attirer facilement. Mais je pense que le virage a été probablement précipité. Sinon, le MPN n'avait vraiment pas véritablement intérêt à se donner à l'issue du premier tour à celui qui était censé remporter les élections. Je pense qu'il aurait fallu prendre un temps nécessaire pour voir quel est véritablement l'intérêt du parti et non l'intérêt de quelques individus. Et me semble-t-il, ici, à l'espèce, on a vu l'intérêt de quelques individus au détriment de l'intérêt général, donc l'intérêt du parti. Et c'est cette euh, manière cavalière d'avoir fait un choix actif qui me semble être la pomme de discorde de cette formation politique. Les exclus du parti euh, pensent que Ibrahim Yakuba est coupé de la base en ce sens qu'il soit nommé à la tête euh, de la diplomatie nigérienne. Est-ce euh, là les de cette crise Vous savez, quand on est, disons, ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas si véritablement il est le chef de la diplomatie nigérienne. Je ne pense pas au fond qu'il le soit mais il est quand même ministre des Affaires étrangères, il faut le lui reconnaître. Cela l'amène à se déplacer fréquemment, peut-être à ne faire que des escales au pays, où il est amené à consolider et à asseoir véritablement son parti. Donc, il y a du vrai dans ce qui est dit, sauf que euh, tout en étant euh, ministre des Affaires étrangères, je pense qu'il y a une euh, manière de faire, il aurait pu aménager son agenda et véritablement euh, prendre des avis des uns et des autres, peu importe euh, où ils sont euh, sur le territoire nigérien. Je pense que l'éloignement pourrait expliquer, mais vous savez, quand on est pressé et qu'on a comme allié le PNDS, un parti euh, des gens qui sont vraiment rusés et rompus à la tâche. Je crois que le PNDS lui a fait un cadeau plus ou moins empoisonné et je crois que la conséquence immédiate, c'est peut-être aussi que euh, à terme, son parti, pourquoi pas, connaisse peut-être quelques difficultés. Alors, professeur, le parti a exclu 13 militants, pas des moindres. Quelles sont alors euh, les conséquences euh, de cette exclusion Alors, l'exclusion a été prononcée. Toute la problématique, c'est comment ces exclus vont se comporter, qui ils ont avec eux. Maintenant, si on voit de manière plus ou moins individuelle, on voit que le comité de redressement regroupe vraiment des personnes qui en ont gros sur le cœur des personnes de forte tête qui sont capables du meilleur comme du pire et qui peuvent prendre aussi leur revanche, pourquoi pas rallier derrière eux le maximum de militants du MPN et les orienter vers une formation politique du pouvoir ou de la majorité, pourquoi pas. Donc, il faut s'attendre dans les jours à venir à des déclarations, à des remontrances et surtout, pourquoi pas, à peut-être même une judiciarisation de la décision qui a été prononcée. L'exclusion des quelques camarades à la va-vite, est-ce la sanction n'a pas été sévère Bon, je pense que la manière, elle est un peu martiale. C'est peut-être pour ceux qui l'ont prise la meilleure. Moi, je pense qu'il y a toujours possibilité de discuter en interne, amener les uns et les autres à la réalité, je pense que ça aurait été plus productif. L'exclusion, c'est la sanction ultime. Est-ce que c'est ce que voulaient réellement les responsables qui les ont exclus au fond, je pense que c'est aller très vite et que on ne pourra peut-être plus faire marche arrière. Donc il faut taper du poing sur la table et je pense qu'aujourd'hui, dans l'ordre démocratique au Niger, il est très euh, cavalier et très hâtif de penser que on peut faire peur à quelqu'un en l'excluant du parti. Monsieur Atia, est député, ça veut dire qu'il y a eu du monde derrière lui. La coordination de Dosso, ce n'est pas une coordination, euh, c'est les deux bastions au, au fond du MPN et c'est là où ça va faire mal à ceux qui pensent qu'il suffit de taper du poing sur la table, qu'il puisse y avoir de l'ordre. Mais or si une grande partie des militants à la porte. Qu'est-ce que le président Ibrahim Yacouba peut faire pour un peu ramener la sérénité au sein de sa jeune formation politique euh, Je pense que euh, pour lui, il a déjà fait un excluant. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant à ceux qu'il a exclus Rien il ne peut plus revenir sur l'exclusion. Je pense que c'est allé assez vite et que l'exclusion devrait être l'action ultime, l'épée de Damoclès, la sanction vraiment ultime. Maintenant qu'elle est prononcée, il faut peut-être envisager l'avenir du parti sans ceux-là qui ont été exclus, sans se rendre compte peut-être que ces gens qui ont été exclus ont derrière eux assez du monde. Professeur Issoufou Yahya, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie professeur Issoufou Yahya, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui analyse les causes et les conséquences de la crise qui secoue le MPN Kishinkasa. Du sport à présent dans ce forum avec euh, les compétitions de la 38e édition du, championnat euh, du sabre national qui se, poursuit, qui se poursuivent activement dans la capitale de la Dera. Malgré la mise en application des sanctions prévues par les textes réprimant les combats truqués, le phénomène euh, refait surface aujourd'hui même encore dans l'arène Hamidan Maïdere d'Ottawa. Le point des compétitions de la journée d'aujourd'hui avec le chroniqueur sportif de la Voix du Sahel, Sekouberi Ibrahim. On l'écoute. Sekouberi Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, la 38e édition du Sabre national est à son cinquième journée. Et que peut-on concrètement retenir euh, au bout de cinq jours euh, de combat au niveau de l'arène Hamida Maïdere d'Ottawa euh, Voilà, c'est vrai, nous sommes à la cinquième journée. Peut-être je veux faire quand même une digression pour aller d'abord à la quatrième journée parce que c'est une journée qui a été quand même particulièrement mouvementée. Alors donc cette quatrième journée, il y avait au, menu donc euh, la première rencontre de la matinée, c'était Tawa Nyame. Et là, ça a été vraiment, les gens attendaient beaucoup plus de cette rencontre. Tant euh, les enjeux étaient là, et ça s'est soldé sur la victoire de 5 à 4, un match nul. Donc au cours de cette quatrième journée, l'on note la chute du finaliste malheureux, le finaliste malheureux de Niamé, donc qui est de la dernière édition du sable national tenu à Dosso. C'est vrai que également au cours de cette rencontre, il y a eu tellement de combats truqués, Ce qui a en tout cas amené euh, le comité comité chargé de statuer sur les combats truqués de, Séville. Est-ce que euh, le comité, ce comité-là a mis en application euh, ces sanctions Oui, les sanctions ont été bel et bien appliquées puisque ce matin, euh, Tawa a lutté avec neuf lutteurs et Tawa va devoir se contenter de ces neuf lutteurs parce que quand on vous élimine pour un combat truqué, vous n'avez plus le droit de changer. Donc le joueur, le, le lutteur qui a été donc sanctionné ne pourra plus être remplacé. On ne donne pas cette possibilité aux équipes de changer donc euh, les joueurs qui ont été sanctionnés pour euh, faire fait de combats truqués. Alors donc Tawa et Niamey ont en tout cas subi les conséquences ce matin parce qu'ils ont lutté à 9-9 contrairement à leur adversaire qui avait quand même euh, l'équipe pleine 10 Alors donc nous reviendrons peut-être au cours de cette semaine, Il faut dire qu'au cours de cette quatrième journée, il y a eu Difa Tilaberi. C'était également un combat très équilibré. Le combat a été équilibré finalement c'est 5 à 4 en faveur de Difa et un match nul. C'est au cours de cette rencontre justement que Difa également c'était toujours hier. mais DIFA a perdu son seul invaincu à la personne de Zabir Chefou. Donc, il a été terrassé par Laoli Issifou 24 heures ou 72 ou 48 heures avant, était également sur la liste des invaincus du côté de Zabiri. Alors, après ça, donc, il y a eu Dosso Zender, un combat, euh, une rencontre très relevée et maladie à Agadez. Ça, c'était dans l'après-midi. Et Dosso a infligé une belle leçon de lutte traditionnelle à l'équipe de Zender avec 8 victoires à 2. Et Zender qui avait 3 lutteurs invaincus avant donc le début de cette euh, quatrième journée et se retrouve avec un seul lutteur, c'est lui justement, Lawali là. Alors, le combat Maradi-Agadez, également victoire d'Agadez 6-4, et Maradi, eh, justement, conserve ces deux invaincus également. là, il n'y a pas eu de, de bouleversement, les deux invaincus de Paris et d'autre sont restés. Donc, euh, il faut le préciser toujours, hier, donc, on parlait de ces deux lutteurs qui ont été éliminés, et finalement, eh, je vous informe qu'au niveau des, des matchs truqués ce matin encore, et malgré toute cette euh, mise en garde, malgré toute cette interpellation, les gens ont continué à, en tout cas, ces, sanctions qui ont été prises n'ont pas dissuadé les lutteurs, puisque ce matin également, il y a eu des combats truqués et le président du comité chargé des combats euh, truqués a, juré d'assainir le milieu et déjà il a fait parvenir au niveau de, euh, en tout cas du jury, parce que c'est le jury qui prononce les sanctions, en tout cas une liste de, lutteurs qui ont en tout cas levé le pied ce matin pour laisser des lutteurs invaincus passer alors qu'on avait justement proscrit ce genre de comportement. Alors donc c'est pour vous dire que malgré tout cela, les lutteurs sont restés et en tout cas ils n'ont pas changé de d'iota. Ils continuent à faire des combats truqués et même cet après-midi on fait on fait semblant de lutter mais véritablement forcément quand vous tombez sur un lutteur invaincu, vous levez le pied. Sekouber Ibrahim, est-ce que ah, la, mise en application de cette sanction n'a pas un peu euh, suscité des grincements de dents au niveau de Tawa Non, pourquoi Parce que tout le monde est inanime, vous savez. Le comité chargé de, régler ces armes de questions, de combats truqués, c'est un comité composé de neuf membres. Un président, et toutes les régions envoient un lutteur, et de préférence un ancien lutteur, pour être dans le comité, pour siéger. donc ce comité, il est là, il est tout autour de l'arène. Si peut-être vous voyez les images, vous voyez qu'ils sont tout autour de l'arène, juste en opposition à la table technique et vous allez les voir, ils sont, même ils sont là assis, et en tout cas, c'est des anciens lutteurs, mais j'ai même quand même eu le, mérite de demander au président, mais comment, de quel instrument dispose-t-il justement pour nous faire, pour justement évaluer quel combat a été truqué ou pas. il m'a dit que c'est vrai que ce n'est pas des moyens rationnels, mais bon, euh, de toute façon, vous, en tant qu'ancien lutteur, vous savez s'il faut lever le pied ou pas, vous le savez. Quand un combat, même nous qui sommes des observateurs de la lutte, on sait que quand il y a un combat truqué, c'est évident, ça passe parce que le lutteur, il ne fait aucun effort, il se laisse terrasser. Voilà, donc la cinquième journée, c'est ce matin. Et là également, nous avons assisté à un premier combat Yamé Dosso très équilibré. Et le seul invaincu de Dosso, malheureusement, est tombé ce matin. Donc Dosso est également éliminé tout comme Difa, tout comme Est-ce que l'élimination de Dosso au bout de la cinquième journée a été une surprise pour vous Non, c'est vrai que ça, ça, devait être une surprise pour euh, vraiment un observateur averti, parce que Dosso, il faut le reconnaître, a une équipe. Il y a deux régions hein, dans ce championnat qui ont des équipes, une équipe équilibrée, c'est Tawa et Dosso. Parce que vraiment, c'est des éléments très jeunes qui, en tout cas, ont maîtrisé l'art de lutter, qui sont en tout cas dans le groupe et ça forme vraiment euh, une machine. C'est le cas également de Tawa. Donc, mais, tout le monde est surpris que cette équipe de deux soit éliminée. Mais évidemment, dès l'instant où le chef tombe, vous savez, quand un chef tombe, ce n'est pas facile que les autres puissent résister. Mais finalement, ils sont tous tombés, découragés sans doute parce que le jour où ça qui est tombé. En tout cas, toute la délégation était en pleurs, alors que c'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de se reconcentrer, de se dire qu'il faut chercher à, au moins euh, sauver l'honneur. Mais malheureusement, cette équipe de Dosso est tombée dans le découragement et finalement, euh, donc il y a plus de, de plus de Le seul invaincu est tombé parce que de toute façon, ce n'est pas un grand lutteur, il n'est pas connu. Mais bon, qu'il soit terrassé ou pas, ça, ça ne surprend personne. Alors, euh, Sekouber Ibrahim, puisque la liste des invaincus se rétrécit du jour au jour, au, jour le jour, est-ce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas non plus faire euh, un pronostic Le pronostic, il est pour le moment pas facile, je vous l'ai dit depuis hier. Ce n'est pas facile de faire un pronostic, mais on peut faire toujours des projections. Et à l'allure où les choses vont, vous savez, quand vous prenez, vous jetez un regard sur la liste des invaincus, vous vous donnez tout de suite les, moyens de faire un pronostic, des projections plutôt pour dire que, en tout cas, voilà les directions dans lesquelles le sabre euh, peut toujours aller. Puisque vous avez Agadez qui a deux lutteurs invaincus, Agadez est en train de lutter tout à l'heure, mais euh, je peux vous annoncer d'ores et déjà que ces deux lutteurs sont toujours invaincus, ils sont passés. Il faut se demander est-ce qu'il y a eu véritablement lutte. En tout cas, ils sont passés. Alors, Maradi a ses deux invaincus. Maradi va tout à l'heure donc en découdre avec euh, Difa. Et y a ce matin lutté, y a ces deux invaincus, et Tawa a trois invaincus, et Zender qui a un seul. Au total, donc 10 lutteurs. C'est-à-dire que déjà, on peut projeter pour dire que voilà les régions où le sabre et susceptible d'aller puisque encore ils ont des lutteurs en compétition. Alors euh, Sekou Beri Ibrahim, pour revenir par rapport euh, au combat turc là, qui sont les lutteurs qui ont été pris la main dans le sac euh, ce matin Voilà, ce matin pour le moment le président du comité il s'appelle Magazi Alain Il nous a dit qu'il a lu, il a transmis la liste au jury. Maintenant, c'est à eux d'appliquer. Mais avant ça, je vous disais qu'il y a eu deux sanctions au niveau hier matin suite à la rencontre euh, Niamey-Tawa où c'est clair, c'est évident, les lutteurs ont laissé, ont levé le pied. C'est le cas de Idi Kirgania de Tawa et de Issa Koumoussa. Ils ont tous laissé, l'autre a laissé Tassiou de Niamey passer et l'autre a laissé, le lutteur de Niamey a laissé le lutteur de, euh, euh, Abdou Salam, je crois, Soumaïla, passer également. Donc ils ont été suspendus, suspendus d'abord pour euh, la présente édition, également suspendu pour euh, les compétitions nationales et internationales, et suspendu encore pour, le prochain championnat de lutte traditionnelle, pour le prochain fab national 2017 Inch'Allah. Vous n'avez pas une idée euh, du nom des, des, lutteurs qui ont été surpris ce matin Non, euh, c'est vrai que c'est pour le moment c'est un secret de polichinelle, mais le président de toute façon a été clair. Il nous a dit qu'il a envoyé, il a fait son rapport, il a envoyé, et c'est maintenant au jury de proclamer ces sanctions, de, de, de, déclarer ces sanctions. Comme ça, ils seront, elles seront applicables à partir immédiatement dès l'instant où les sanctions ont été euh, prises par le jury. Eh bien, il n'y a pas de problème. Ces lutteurs seront Karma est suspendu et leur équipe également handicapée parce qu'ils vont devoir lutter à neuf au lieu de 10, conformément au règlement. Sekouber Ibrahim, on vous remercie. Je vous remercie également. C'était là le chroniqueur sportif de la Voix du Sahel, Sekouber Ibrahim, qui fait le point des compétitions de la cinquième journée du championnat du sabre national qui se poursuit activement dans la capitale de l'Aïr. Les programmes du studio Kalangou à Niamey sur la radio Anfani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arlit sur la radio Icocal 95.1 FM à Difa sur la radio Amphani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Chirozérine sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilingue sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Zender sur la radio Shukra 105.5 FM. Studio Kalangu. Voilà, dans ce forum, nous avions fait le tour euh, d'horizon de l'état actuel euh, de la mise en œuvre des termes euh, du protocole d'accord signé entre le gouvernement nigérien et les structures syndicales du secteur de l'éducation. Avec la réaction du, avec la réaction du camp des exclus du MPN Kishinkasa, nous avions également effleuré les causes et les conséquences de la crise politique qui secoue cette jeune formation politique avec, euh, dans une analyse du politologue euh, professeur Issoufou Yahya. Et voilà, nous sommes au terme euh, de ce dernier forum au titre de l'année 2016. Euh, merci à vous euh, de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. On se retrouve, Inch'Allah, euh, pour, la prochaine, pour le prochain forum dans la toute nouvelle année 2017. Au revoir.